Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est l'heure du jury du dimanche qui reçoit aujourd'hui le professeur agrégé d'histoire Ibader Thiam, historien, président du comité de pilotage chargé de l'écriture de l'histoire générale du Sénégal des origines à nos jours. Bonjour professeur. Homme politique, historien, ancien ministre, ancien député, quelle que soit la casquette que vous portez, Ibader Thiam, vous ne laissez personne indifférent. Vos prises de position sur les questions nationales et internationales suscitent tantôt l'admiration, tantôt la polémique. C'est parce que dans le monde politique comme scientifique, les acteurs sont rarement d'accord la science et la politique ont cela de commun, qu'elles se nourrissent toutes les deux de débats et même de controverses. Dernier sujet majeur, l'écriture ou la réécriture de l'histoire générale du Sénégal dont professeur Thiam euh, est chargé de la coordination. Un travail pour lequel il a refusé d'être payé, vous me l'avez confié. Admis à la retraite en 2006, euh, vous continuez depuis 13 ans d'enseigner gratuitement en licence et maîtrise sans percevoir de salaire. Ibader Thiam, professeur agrégé d'histoire, a participé aux côtés de grands noms comme Cheikh Anta Diop à la rédaction des ouvrages suivants histoire générale de l'Afrique, histoire du développement scientifique et culturel de l'humanité, histoire de la BCAO, pour ne citer que ces ouvrages. Nous avons le plaisir de recevoir donc un historien à la thèse qui ne passe pas inaperçu, 4500 pages, excusez du peu. Nous allons d'abord rendre hommage à un virtuose du Khalam qui nous a quittés, professeur Ibaner Thiam, Samba Samba qui est décédé. Vous l'avez connu Oui, je l'ai connu, oui, oui. Une figure marquante aussi ah, de l'histoire euh, du Sénégal, ah, l'histoire contemporaine. Ah, hmm. Et puis probablement l'un de ceux qui ont le plus contribué à faire aimer notre culture, à faire aimer la culture africaine. C'est à cause de Samba Paris Sambo, c'est à cause d'Amandjaï Sambo, c'est à cause de l'équipe qu'ils avaient consultée au lendemain de l'indépendance que moi j'ai ouvert mon cœur la culture africaine et que je l'ai aimé. Et chaque fois que j'entendais euh, Samba Diabaré Samba, la voix de Samba Diabaré Samba, les accents de Samba Diabaré Samba, ça me, touchait jusqu'au plus profond de moi-même. C'est Samba Diabaré Samba et Alou qui m'ont donné le goût de la culture africaine. Quand j'entendais Alou parler de Tara, de Chiomar et de Tara, euh, dans ses émissions, j'avais presque les larmes aux yeux. Il nous a quittés à son âme. Que en son paradis. Amen. Alors, euh, professeur Ibader Thiam, le sujet dont tout le monde parle, c'est l'histoire générale du, Sénégal. Qu'est-ce qui justifie l'écriture ou la réécriture, c'est selon, de l'histoire générale du Sénégal euh, Je vous remercie beaucoup, euh, Mamoudou Ibrakan, vraiment de m'offrir cette occasion de pouvoir peut-être expliquer beaucoup de choses à tout le monde je le ferai en toute sérénité, sans esprit polémique et sans chercher à retourner le couteau dans la plaie. Je voudrais d'abord commencer par remercier vraiment du fond du cœur tous ceux qui, à travers cette expérience, euh, m'ont renouvelé leur amitié, leur soutien et leur encouragement. Je voudrais remercier tous ceux qui ont écrit dans les journaux pour m'apporter euh, un réconfort moral remercier tous ceux qui ont manifesté dans les réseaux sociaux leur adhésion au travail que j'avais fait. Remuer, remercier tous ceux qui ont organisé des prières pour moi, parce qu'il y a eu des endroits où on a même organisé des prières pour moi. Remercier tous ceux qui, ont, qui se sont déplacés jusqu'à ma maison. L'un des, déplacements les plus importants pour moi a été quand Tchernomadanital, que je voulais aller voir, m'a dit non, c'est moi-même qui viens vous voir et qu'il est venu, qu'il soit venu chez moi avec trois de ses collaborateurs pour m'apporter vraiment ses encouragements et ses prières. Je voudrais également remercier Banyek qui a offert son intermédiation pour que nous puissions rencontrer la communauté des scientifiques du SIN, afin que nous échangions avec eux dans la sérénité et sur le plan strictement scientifique. Je voudrais remercier Mme Martar qui a fait des démarches importantes auprès de la famille Laïenne et pour lequel je tiens à le remercier, ainsi que tous les interlocuteurs avec lesquels il a eu à discuter et qui ont fait preuve d'un esprit ouvert. Malgré la controverse, vous estimez que les Sénégalais adhèrent à ce projet ah oui, oui, je pense que euh, malgré la controverse, les Sénégalais, parce que euh, la controverse ne porte que sur les responsables de confrérie. Mais sur tout le reste, ces cinq volumes qui font au total près de 3000 pages, 2700 et quelques pages, sur lequel la partie qui concerne les confréries n'est quand même pas la plus importante. Je pense par conséquent que, sauf erreur de ma part, il me semble que les Sénégalais euh, acceptent les autres parties euh, qui ne font pas l'objet de contestation et ces autres, parties sont largement. Mais même s'il y avait une seule famille qui n'était pas d'accord sur ce qu'on a écrit sur elle et qui est prête à nous apporter des clarifications et des éclaircissements euh, qui nous permettront de pouvoir corriger et de pouvoir améliorer nous, serions, nous avons l'obligation morale de l'écouter, de recenser ses points de vue et d'essayer de trouver un compromis avec ses familles. Justement, c'est une basse Abdoukhadr, porte-parole du Khalif général des Mourides. C'est la dernière réaction enregistrée sur cette histoire générale du Sénégal. Estime qu'il y a eu beaucoup d'erreurs pour ce qui concerne le Touba. Vous le reconnaissez Non, si on me signale les erreurs en question, euh, nous pourrons échanger pour voir c'est d'abord qu'est-ce que j'ai voulu dire. Oui, un cas précis, mort en vous, avez, vous auriez écrit dans votre euh, ouvrage qu'il n'avait pas le temps d'enseigner. Non, non, Et ça, euh, s'inscrit en faux. Non, mais je ne veux pas, je ne veux pas, à la réalité. Je ne pas engager de polémique avec Serigne Bas qui est une autorité euh, religieuse à laquelle je porte le plus profond respect et lui-même le sait. Il sait que je me suis déplacé jusqu'à Touba pour aller les informer de notre volonté de travailler sur la vie et l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba. Vous avez fait le tour des familles maraboutiques Je n'ai pas fait le tour de toutes les familles maraboutiques parce que je n'avais pas le temps de le faire et en même temps d'écrire l'histoire générale du Sénégal. Mais il y a des familles maraboutiques auxquelles j'ai rendu visite. D'autres, je ne leur ai pas rendu visite. Avant-hier, Cheikh Tidiane Dem, de Sokone m'a eu au téléphone pendant près d'une demi-heure pour me dire à quel point il voulait m'apporter ses encouragements et me demander d'essayer de continuer de poursuivre dans la ligne dans laquelle je m'étais engagé. La réaction, oui. Ailleurs, nous avons également reçu des soutiens, mais nous avons également reçu des critiques. Oui, la réaction de Touba, pour revenir à cela. Pour, revenir à la réaction de Touba, j'ai dans, le travail que nous avons fait, consacré des pages à Mamor Antosali, qui sont des pages de gloire, de succès, de sainteté, de responsabilité, n'est-ce pas Ne fait-ce que parce qu'il a été le père d'une des figures les plus marquantes de notre histoire. Et parce qu'il a joué un rôle important. Même quand nous parlons des périodes pendant lesquelles il était placé sous les ordres d'un certain nombre d'autorités temporelles, nous le disons avec suffisamment de précaution pour ne gêner personne. Nous avons simplement dit que le fait qu'il était cadi, donc s'occupant de tous les problèmes de la communauté quotidiennement, et qu'il soit également obligé d'avoir son, centre d'enseignement, le placer dans une situation où il ne pouvait pas consacrer tout son temps à l'enseignement. J'estime que ça, c'est une situation que n'importe qui peut comprendre. Ça ne veut pas dire que n'ait pas le temps d'enseigner. On a dit que le fait qu'il soit cadi, s'occupant de tous les affaires de la communauté, et le fait en même temps qu'étant cadet, il euh, dispense un enseignement constitué pour lui une double charge qui fait évidemment qu'il ne peut peut-être pas donner tout le meilleur de lui-même dans ce qu'il faisait. Mais ça, c'était simplement pour montrer le contexte dans lequel les gens évoluaient. Ce n'est pas un jugement de valeur, ce n'est pas une caractérisation. Qui peut dire du mal de Mam Omar Antosali qui a, été, qui a participé à la bataille de lutte menée par, par Mabou qui a été à Porokhan, qui fait partie de ceux dont l'action ont permis la naissance de l'épicentre de Porokhan, qui a entretenu avec toutes les familles religieuses du Sénégal des relations d'une étroitesse, n'est-ce pas, et d'une profondeur qui font que aujourd'hui la communauté maurite se considère comme une communauté qui s'entend avec toutes les confréries au niveau du Sénégal. Il nous a laissé un un héritage, un fils dont la dignité, dont la sainteté, dont la grandeur, dont le courage, dont le sacrifice. que moi-même j'ai été le premier à présenter comme étant celui qui a le plus souffert de la domination coloniale lui qui a souffert plus que Nelson Mandela. C'est moi qui ai écrit qu'il a fait 32 ans de vie sans, sans, liberté et qu'il a par conséquent, on ne peut pas dire donc Mandela a été le prisonnier qui a le plus souffert, n'est-ce pas euh, J'ai retracé toutes les, étapes, toutes les étapes de la vie de son fils et toutes les souffrances qu'on lui a fait subir à tous les niveaux et dans tous les domaines. Et j'ai été chercher les sources qui étaient à ma disposition. Et quand je n'ai pas eu la possibilité de le faire, je, me suis euh, adressé à un certain nombre de spécialistes. Donc je ne cherche pas du tout. Oui, mais en plus de certains faits concernant Sérine Touba et le mouridisme, il y a également une polémique euh, euh, qui a été soulevée au sein de la communauté nyassène, la, communauté layenne et, même du côté du Sine. Est-ce que vous reconnaissez un certain nombre d'erreurs et qu'est-ce que vous êtes prêt à corriger aujourd'hui euh, qu'il euh, y ait des, divergences ici ou là, que les gens nous ont signalées, je n'en doute pas. Notre travail n'est pas parfait. Je ne suis pas moi-même quelqu'un qui est, qui est imbu de la science. Dieu seul connaît tout, Dieu seul sait tout. Il y a des choses que je sais, il y a des choses que je ne sais pas. Si nous avons été obligés de nous ouvrir aux traditionnalistes, c'est parce qu'eux aussi détiennent un savoir dans leur terroir respectif, que nous, souvent, nous ne connaissons pas. Et nous avons pensé que l'occasion était bonne pour mettre en application des principes pour lesquels nous nous sommes longuement battus à l'UNESCO, en demandant que l'histoire africaine accepte la tradition orale et qu'elle accepte également le point de vue des généalogistes. Mais l'histoire, c'est par définition la discipline de la controverse dans tous les domaines. Quand euh, Périclès, au 5e siècle, a inventé la démocratie, le concept n'a pas immédiatement euh, suscité l'adhésion. Il y a eu des difficultés avec Thucydide, avec Platon, avec Euripide, avec Hérodote, n'est-ce pas Avec Isocrate, avec Démosthène, avec le pseudo-Xénophon, qui étaient contre le concept et qui l'ont combattu, n'est-ce pas Je voudrais également dire que quand on a sorti le deuxième tome de l'histoire de l'Afrique, l'Afrique ancienne à l'UNESCO, il y a eu une levée de bouclier. L'UNESCO a été obligé de convoquer en Libye un séminaire spécial consacré à l'échange de débats entre les différents participants et ceux qui avaient formulé des critiques. Et on a pu, en fin de compte, trouver une solution. Donc, ça, pour nous, n'est pas quelque chose de grave. Regardez, vous avez bien ça que j'ai amené avec moi. Vous voyez polémique. Sur l'histoire coloniale. Sur près de 100 pages. On ne parle que de ça dans ce numéro spécial de, 2001, du monde diplomatique de juillet-août 2001. J'ai amené avec moi aussi ça. C'est l'Express, n'est-ce pas, mythe de, 2010, qui s'appelle Les grands mythes de l'histoire de France, et qui sur 70 pages démontre que Vercingétorix n'est pas ce qu'il était, que Louis 11 n'est pas ce qu'il était, que Louis 12 n'est pas ce qu'il était, que Saint-Louis n'était pas ce qu'on a dit, que euh, euh, Louis XIV n'est pas ce qu'on a dit, que Napoléon n'est pas ce qu'on a dit, que De Gaulle n'est pas ce qu'on a dit, etc., etc. N'est-ce pas J'ai avec moi encore amené, toujours pour prouver ma bonne foi, une revue qui est la revue Histoire, qui fait référence en France. Cette revue a titré à son 40e anniversaire 40 années de controverse 1978-2018. Par conséquent, ce n'est pas la première fois qu'il y a des, polémiques sur, sur une histoire quelle qu'elle soit. Mais, sauf qu'ici, euh, certains vont jusqu'à dire qu'il faut renoncer à, ce projet s'il doit créer des dissensions entre communautés. Non, parce que je pense que euh, dans la mesure où nous, sommes, nous avons dit que nous sommes disposés, là où il y a des contestations, à rechercher les bases d'un accord conciliant, ce projet doit se poursuivre parce que ce projet, il intéresse le Sénégal. Ce projet est un projet qui comble un vide. Notre pays a été l'objet d'un processus de domination. La colonisation, c'est un processus d'occupation territoriale, de domination politique, euh, d'exploitation économique et d'aliénation culturelle. Et dans cette aliénation culturelle, le rôle joué, par l'histoire a été essentiel. Parce que l'histoire procède par un processus de décélébration et par un processus de recélébration au niveau des idées, des concepts, des symboles, des valeurs et des références. Et notre intelligence, notre jeunesse sont soumis à un matraquage et à un formatage intellectuel, psychologique, qui en fin de compte les empêche de retrouver leur propre conscience, d'être décomplexés, de faire face à tous les défis, de pouvoir devant n'importe qui se comporter en dignité et d'avoir des références à opposer à ceux qui leur proposent leur propre vision du monde. Pour vous reprocher de, faire du révisionnisme, vous répondez quoi mais je ne répondrai rien du tout. de mal. je ne fais pas du révisionnisme. Je pense seulement que moi, ce que je fais, c'est essayer de restituer l'histoire de mon pays dans des termes tels que les populations de mon pays sachent qu'ils ont une histoire, qu'ils la connaissent, qu'ils s'y enracinent et qu'ils essaient d'en faire une source de référence, de symbole de vertus, de valeurs à partir desquelles ils pourront euh, se déterminer. Nous avons dit dans ce travail que nous avons fait que dans cette société traditionnelle que le système colonial a tenté de subvertir, précisément, c'est à cause de ça que les gens ont été sauvés. Parce que ces gens, ils se sont assis sur l'islam et les valeurs de l'islam, ensuite que sur certains éléments de la société Kiedo, et ont eu à dire chaque fois se trouver devant une situation difficile, mon père m'avait enseigné ceci, j'ai entendu mon grand-père dire cela. Donc, je détermine mes attitudes comportementales en fonction de ces différentes références. Encore une fois, la critique pour nous, elle est quelque chose de, positif et nous prenons acte. Justement, concrètement, comment vous allez procéder pour rectifier ce qui, ce qui doit l'être Recueillir tout ce qui nous a été fait comme critique. Et il y a des critiques qui sont justes et qui sont fondés. D'autres procèdent de malentendus dans l'interprétation des termes. Le français n'est pas notre langue maternelle. Oui, par exemple, quand vous dites euh, que El Haj Abdoulaye Nias de l'école de El Haj Maudo... Ça dire a été euh, un élève de Maudo ou qu'il a été formé par Maudo. Vous auriez pu dire de la même école Non, non, non, mais peut-être, oui, peut-être, probablement, on aurait pu dire de la même école. Hmm. Oui, Peut-être que c'est ce que Don dire plus tard, n'est-ce pas ça, encore une fois, je dis que ce que nous avons voulu dire, c'est qu'ils avaient la même vision de l'islam, la même vision du rite malékite, la même vision de la tijania. C'est simplement cela que nous avons voulu dire. Nous n'avons pas voulu dire autre chose que cela, n'est-ce pas Parce que moi-même, je suis ressortissant de Kaula. Je connais quand même la, position de, la, par rapport à, à la tijania. Ensuite, moi, je ne peux pas être quelqu'un qui de, de parti parce que mon grand-père, Gorekham, qui était à Fatigue, et ce que je dis là, des gens de Fatik le, savent, parce que mon grand-père fait partie de ceux qui ont construit la mosquée de Fatigue et qui ont financé son, élaboration. Mon grand-père Gorekham, qui était un agent traitant de la compagnie Morel et Prom, était un khadir il était tellement important dans la euh, hiérarchie Khadir que Cheikh Sadibou et d'autres venaient le voir. Mhm. Et un jour que Cheikh Sadibou était dans notre maison, on est venu annoncer à mon grand-père que sa femme avait accouché. Il a dit, donnez-lui le nom de Cheikh Sadibou. Les gens, ils étaient, il a dit, qu'est-ce qu'il y a Ils ont dit, mais c'est une femme, c'est une fille. Il a dit, même si c'est une fille, donnez-lui donnez le nom de Cheikh Sadibou. Et ma tante, moi, s'appelle Cheikh Cham. Elle est aujourd'hui morte, elle est enterrée ici, au cimetière qui est à côté du siège du soleil. Mon père, qui était donc, on l'a appelé Abdou Khadr, Abdou Kader Abdou Khadr, on l'a appelé Abdou Khadr Quand il a rencontré Serigne Bassirou à Kaulak, Serigne Bassirou l'a subjugué. Il était tellement content de lui qu'il a décidé qu'il il, allait devenir mouride. Il s'est fait mouride. Quand il, Serigne Bassirou cherchait le terrain à Boustan, il devrait, euh, dont il devrait faire son, domaine, mon père a participé à cette, action. Ma mère est de la famille Nyassen. Mon grand-père était l'un des braves rois de Mam Khalifa Nyass. Quand euh, il a eu un enfant, il lui a donné le nom de Mam Khalifa Et Mam Khalifa lui a dit, quand il aura l'âge de 7 ans, envoyez-le-moi pour que je le forme et que je l'éduque. Il l'a envoyé dans la famille de Sid Il a grandi avec eux. C'est lui qui lui a appris le Coran en totalité, qui lui a appris les autres sciences connexes, et il a été imam de Marseille. Très bien. Je rappelle que nous recevons dans l'émission Jury du dimanche le professeur euh, Ibader Thiam, président du comité de pilotage chargé de la rédaction de l'histoire générale du Sénégal des origines euh, à nos jours. Je voudrais Mais une chose. Oui, oui, une, chose une chose. Quand les Alphalas euh, sont venus ici pour la première fois, tout le monde au Sénégal disait que j'étais alpha là. Parce que quand ils ont commencé à prier d'une autre manière et à critiquer notre pratique, moi, je faisais partie de ceux qui les défendaient. Et je disais tout contrefait. fait. Que veulent-ils Améliorer notre pratique religieuse. Nous dire, appuyez-vous constamment sur la sunna. Mais tout cela sont des recommandations du Saint-Coran. Donc, il n'y a pas de raison de les stigmatiser. Oui. Alors, quand vous dites des origines, mais vous, vous êtes remonté à quelle époque Nous sommes remontés à 350 000 ans. 350 000 ans 350 000 ans. C'est l'IFAN qui a établi que le sol sur lequel nous sommes a été occupé par les hominidés depuis 350 000 ans. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Abdoulaye Touré qui l'a écrit. Ça a dû être une gageure quand même, ah, dans un pays euh, marqué par une forte culture de l'oralité. Ah oui, mais ça ne veut rien dire. Comment vous avez procédé mais Nous allons procéder en faisant appel à des spécialistes. Il y a un ouvrage qui va sortir dans quelques jours, qui a été élaboré par Amadou Bokoum et une équipe de spécialistes dont beaucoup sont des étrangers, qui ont travaillé sur la phalémée, qui ont travaillé sur le site mégalithique, etc., qui montre toutes les manifestations du génie humain sénégalais sur le sol sénégalais et qui les datent de façon indiscutable. Alors, nous avons chaque fois fait appel aux spécialistes les plus tenus. Nous avons, envoyé nous avons tenu un séminaire d'orientation et de, planification. Nous avons tenu d'autres séminaires, n'est-ce pas, ici à l'École normale supérieure. Nous avons tenu des séminaires régionaux. Nous avions voulu qu'il y ait dans toutes les régions. Nous avons été à Tambacoda, nous avons été à Kies, nous avons été également à Dakar. Nous avons tenu un séminaire avec les Lébous et avec euh, les, traditionnels, Mais nous n'avions pas les moyens de pouvoir tout faire. Je voudrais ensuite signaler que notre action est une action ponctuelle. Nous n'avons sorti que 5 livres sur 25. Nous allons reparler de l'histoire du Cheikh Hamadou Bamba. Dans les années qui vont de 1914 à 1927, nous allons parler de l'histoire des de 1914 à 2000. Nous avions même euh, tiré dans la série et documents un projet de sortir un ouvrage sur les Mais quand on l'a soumis, comme l'étude ne s'arrêtait qu'en 1914, j'ai dit non, il faut compléter cette étude parce que ce qui a été fait par Baïnias, par exemple, sur le plan international, que ce soit au Ghana, que ce soit euh, au Nigeria, que ce soit euh, euh, au, Darfour, que ce soit au niveau du Soudan, que ce soit au niveau de la Turquie, que ce soit au niveau de l'Égypte, c'est des choses qui méritent d'être connues parce que ça a été réalisé par des chefs religieux sénégalais. On va écouter quelques Sénégalais interpeller euh, professeur Ibader Thiam. Professeur Thiam, existe-t-il un historien objectif dans ce monde Parce que moi, je pense que chaque euh, historien relate des faits selon son intérêt, selon sa culture, selon ses traditions. Donc pour moi, euh, les historiens ne sont pas objectifs et j'aimerais bien être euh, démenti par vous sur des arguments, euh, je dirais, convaincants. L'historien africain se trouve entre le marteau de, des manquements de la tradition orale et l'enclime de la subjectivité des documents écrits européens. Et maintenant, partant de cette complexité, de quelle source doit s'abreuver l'historien pour une histoire africaine objective je, remercie le travail remarquable de M et son équipe. Ma question est à savoir pourquoi il y a tant de polémiques et de contredire sur l'histoire, tant donné qu'il y a des références bibliographiques et des sources écrites et orales. maa ngi ziar Madina Amar depuis Argentine di nuyu sa gan Ibader dama jàpp ni jàmmi Sénégal moo ëpp doole lépp loo mën di gis. bu nekkee téere histoire dafa nar a indi ay wala ay xuloo xeexu ci suñu réew dama japp ni jërul ñu koy bind wala ñu avancer voilà. la problématique de l'objectivité de la subjectivité. Euh, les historiens sont comme tous les êtres humains. Il y en a même qui se posent la question de savoir est-ce qu'il existe une vérité historique. Et des débats très nombreux ont eu lieu autour de cette thématique. Il y a des historiens qui sont subjectifs. Il y en a qui, sont, objectifs. Moi, je dois dire que quand j'écris sur l'histoire du Sénégal, je suis, par certains côtés, effectivement partial. Parce que quand je vois le traitement qu'on a appliqué à quelqu'un comme Elad Jumar à qui on a posé 258 actes de belligérance, quand je vois le traitement qu'on a appliqué à des marabouts qu'on a brûlés vifs, et qui sont plus de 60 que j'ai décompté, ah oui, des brûlés, vifs, vifs, devant leur famille, et leur famille également trucidée, euh, séance n'est-ce pas Quand je vois euh, euh, euh, les, supplices qu'on a fait subir à quelqu'un comme le Cheikh Amadou Bamba, qui fait que 32 ans de sa vie, il n'a pas été en mesure d'être libre pour faire ce qu'il voulait faire. Il voulait aller à la, Mecque en, 1895, d'après les témoignages que nous avons reçus. Mais c'est cela qui l'a empêché d'aller à la Mecque, n'est-ce pas Parce qu'on l'a envoyé au Gabon, qui était un pays hostile où on pensait qu'il n'y avait aucun musulman et où il ne pourrait absolument avoir aucun effet sur les populations. Il a souffert tout cela. Et même quand on l'a fait venir au Sénégal, c'était pour ensuite le contraindre à aller en Mauritanie, l'installer à Ken, puis l'installer au niveau de Durbel, n'est-ce pas Où il est resté jusqu'à sa mort en 1927 il n'a pas connu la liberté. Des choses comme ça, quand je les évoque, je ne peux pas être quelqu'un d'indifférent. Vous avez l'obligation ben, d'être honnête. Je suis d'être honnête, mais tout en étant honnête, je suis rigoureux également pour dénoncer ce qui a été fait, mais je le dénonce avec des arguments à l'appui et en même sur des fois les jugements que les Français eux-mêmes ont fait. Mais même ce qui est écrit dans notre histoire, et qui sont des fois français, il y en a certains qui ne cachent pas, sur ces questions-là, euh, euh, euh, la politique coloniale n'était pas la bonne. Par conséquent, ce n'est pas un problème pour moi. Quand on, est histoire, quand on a choisi le métier d'historien, on a choisi de dire la vérité. Il y en a un qui dit la paix le vivre ensemble euh, ne mérite pas qu'on poursuive cette œuvre. Non, non, non, parce qu'il ne faut pas avoir peur de la polémique encore une fois. Vous assumez cette polémique. Il ne faut pas avoir peur de la, oh, la polémique, elle est bonne, elle fait avancer les idées. J'estime que quand les gens... Il y, en a, beaucoup de gens qui sont intervenus, sont intervenus de, façon modérée. Vous avez eu des réactions positives ah oui, on a des réactions positives, ce qu'on en a eu, c'est considérable. On en a eu, on a eu des, réactions positives. Hein, la famille d'Elagi Omar Foutioutal euh, est venue me voir par la personne de Madame Nital pour, me dire que, en ce qui les concerne, ils étaient satisfaits du travail qui avait été fait. N'est-ce pas D'autres familles m'ont contacté également pour me le dire. Mais encore une fois, s'il y avait une seule famille qui considère que ce que nous, avons, ce que nous avons dit sur elle n'est pas conforme à la vérité et qu'elle nous apporte des preuves prouvant que nous nous sommes trompés, nous sommes prêts à reconnaître notre faute et humblement à accepter de corriger. Et l'exemplaire corrigé sera mis à la disposition du public et le, plus, le, public euh, connaîtra son histoire. Nous, nous prendrons chaque fois la précaution, évidemment, de dire il y a ici euh, euh, voilà les, différentes thèses qui ont été proposées par tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, parce que c'est ça l'histoire. Oui, mais l'histoire du Sénégal, puisque vous parlez de l'histoire générale, ne se résume pas seulement à, une histoire religieuse. Non, mais qui a, dit que l'histoire du Sénégal... Oui. quel, est, quel l'enjeu et la portée de ce, de ce travail Non, c'est l'histoire religieuse du Sénégal, l'histoire religieuse au Sénégal est importante tout comme l'histoire religieuse en France est importante. Ce n'est pas un fait du hasard si on a considéré la France comme étant la fille aînée de l'Église. Mais on aurait pu également considérer le Sénégal comme étant la fille aînée de l'islam. Mhm. Parce que ici, tous ceux qui se sont véritablement battus du début jusqu'à la fin, mhm. mis à part un certain nombre de tiados, qui effectivement ont participé à la lutte, n'est-ce pas encore que certains parmi eux sont devenus ensuite musulmans, sont presque tous des chefs religieux. Et si notre pays aujourd'hui est ce qu'il est, c'est-à-dire un pays indépendant, un pays arc-bouté sur ses valeurs, sur sa civilisation islamique, n'est-ce pas, sur ses valeurs fondamentales, fondatrices de la société euh, euh, euh, africaine, c'est parce que nous avons eu des chefs religieux dans les pays où n'ont pas existé les chefs religieux qu'il y avait au Sénégal et qui ont été colonisés en même temps que nous, tels que la Réunion, tels que la Guadeloupe, tels que la Martinique, tels que la Guyane, tels que les établissements de l'Inde ou les établissements du, Pacifique, les populations n'envisagent autre chose que d'obtenir la départementalisation ou d'être traitées sur les même pied que les Français de France. Ils n'envisagent même pas de revendiquer l'indépendance parce qu'ils n'ont pas eu, comme nous, des chefs religieux qui, dès le départ, ont contesté le projet colonial, n'est-ce pas, en élaborant des, mécanismes. Ces mécanismes, c'était opposés à la doctrine coloniale, la sunna et le livre saint du Coran, n'est-ce pas Créer des confréries, créer des écoles coraniques pour que l'enfant, avant qu'il ne puisse aller chez les, euh, euh, étrangers, qu'il passe d'abord par l'école coranique. Et quand on a dit à Mauro, son fils, pourquoi il a donné aux Français pendant la Première Guerre mondiale il a dit il l'a déjà formé suffisamment pour que qu'il aille il reste un fils de Maudon, un euh, euh, euh, musulman exemplaire. Alors, cette émission a suscité beaucoup d'intérêt, professeur. Il y a eu des milliers et des milliers de, réactions, de vues, en tout cas sur la page Facebook de, l'émission. Siring Baldé, euh, qui dit Monsieur le professeur, ma question est la suivante. Après avoir terminé le travail fourni par le comité chargé de rédiger l'histoire générale du Sénégal, est-ce que vous avez pris la peine de parcourir le livre pour éviter toutes ces polémiques autour des confréries qui ont fait l'objet de polémiques. Et puis Fidel Castro Diémé, l'idée du président de la République d'écrire l'histoire générale du Sénégal est une excellente idée. Vu la tournure que prend la publication du tome 1, est-il vraiment nécessaire de continuer N'est-il pas mieux de proposer au chef de l'État que chaque confrérie ou royaume puisse écrire sa, sa propre histoire <laughs> à ce moment-là, j'estime que la situation sera extrêmement euh, difficile. Quelle était encore la première question Oui, la première question. Est-ce que vous avez parcouru le livre Il vous challenge un peu. j'ai parcouru le livre. Mais en vous se savez... disant peut-être que si vous l'aviez relu... Non, je l'ai parcouru, mais je l'ai parcouru dans un contexte où moi-même j'étais occupé par des tas d'activités. Oui. ce pas Certaines erreurs vous ont échappé. Certaines erreurs m'ont échappé, incontestablement. Là, par exemple, nous disons que l'imam est plus jeune que le Cheikh Baba, alors que l'imam était l'aîné de tous les chefs. Mais en bas, à la, note infrapaginale qui est en bas, on dit bien qu'il est né en 1843. S'il est né en 1843, il ne peut pas être plus jeune que Cheikh Hamad Bamba, qui est né en 1853. c'est-à-dire dix ans plus tard. Absolument. ça, il m'aurait fallu euh, avoir le temps de pouvoir le relire, euh, mais nous n'avons pas pu le faire. Et les équipes que nous avions constituées, parce que nous avions neuf doctorants que nous avons embauchés et que nous payons. Nous avons également un spécialiste de la mise en page qui doit, quand il reçoit les documents, les passer en revue, n'est-ce pas, les relire. Bon, malheureusement, il semble que dans cette chaîne, tout n'a pas marché comme cela, ça devait marcher. Ce comité de pilotage est composé de qui et de qui Le comité de pilotage est composé d'historiens, euh, oui. n'est-ce pas Des de, responsables des différentes commissions. Nous avons neuf commissions, de chercheurs, de traditionnistes, de généalogistes et de spécialistes de tous les autres domaines euh, des sciences sociales, il y a des philosophes, il y a des euh, linguistes, il y a des euh, spécialistes de la littérature africaine, etc. etc. Est-ce que les familles maraboutiques pourraient être Mais elles, nous les avons invités à y être. du comité de pilotage, comme qu'on appelle les communicateurs traditionnels. Oh, mais bien entendu, ils y sont parmi les premiers. Et nous avons adressé une correspondance à Eladji Mansour pour lui dire au nom de sa structure, nous l'invitons à venir participer aux travaux. J'ai avec moi ici la liste, les feuilles de présence euh, euh, euh, des différentes réunions que nous avons tenues. Vous y verrez les communicateurs traditionnels et tous les autres, les professeurs du département à qui nous avons écrit pour leur dire de venir nous, nous apporter leur concours, sinon de nous permettre de permettre d'utiliser leurs travaux, n'est-ce pas, etc., etc. Tout est là, vous voyez avons, parce que nous avons dit dès le départ, nous n'excluons personne. Et dans le discours que j'ai fait devant le chef de l'État, au moment de la remise des livres, des cinq livres, j'ai encore dit et répété cela. Nous n'avons exclu personne. Nous avons voulu que tout ce qui détenait un savoir dans ces matières euh, euh, euh, nous apporte leur concours. Pourquoi y a-t-il un nombre si important de rédacteurs Pourquoi ai-je été obligé de m'apesantir sur les reportages qui ont été faits par des journalistes. Parce que le journaliste qui a fait le reportage, ayant été dans les familles, les ayant consultés, ayant entendu leur version, ayant fait un reportage, qui quand il est sorti n'a pas fait l'objet de contestation, je me suis dit, ça au moins c'est la garantie que ce que le journaliste a dit est exact. Mais j'ai ajouté, pourquoi devions-nous réserver l'histoire du Sénégal aux historiens seulement Pourquoi ne pas ajouter des noms de journalistes qui, eux aussi, ont, nous ont apporté quelque chose que nous avons utilisé. Et même quand j'ai quand rencontré une personne qui m'a seulement dit sur telle personne, je vous demande d'ajouter tel ou tel détail qui, figurait sur une seule ligne, j'ai mis son nom parmi ceux qui ont, euh, euh, rédigé cet ouvrage, pour que personne ne se sente frustré et que chacun se sente partie prenante du projet que nous avons élaboré. Quel, est le rôle du chef de l'État dans ce projet Le chef de l'État, dans ce projet... On, vous a reproché un peu d'avoir écrit l'histoire officielle. Quoi. Non, ce n'est pas nous n'avons pas écrit l'histoire officielle. Je dis encore et je le répète, le président Macky Sall n'est responsable nullement de ce qui s'est passé. Le président Macky Sall ne s'était pas intéressé à cette question-là. Jamais on en a discuté. Quelqu'un a prétendu que j'en avais discuté avec Ablaï Wade. Je n'ai jamais discuté avec Ablaï Wade d'un projet d'histoire générale. Ablaï Wade m'avait chargé d'un projet qui devait porter sur la création d'un institut d'histoire. Je lui ai fait un projet sur l'institut d'histoire que je lui ai envoyé. Je n'ai pas reçu de feedback et je m'en suis arrêté là. Oui, mais quand vous dites que le président n'a joué au corps, non, quand même, il a, c'est lui qui a, a confié le travail, non Non, non, non, non, non Comment ça s'est passé La genèse de, cette histoire Non, non, non, il ne m'a pas confié le travail. Le travail sur l'histoire générale du Sénégal, j'en nourrissais le projet depuis que j'étais ministre de l'Éducation nationale. Et Dieu m'est témoin que j'avais même déjà commencé à rassembler une documentation à cette époque. C'est donc dans les années 1880. Ensuite, quand je suis venu au département, j'avais beaucoup d'activités et je ne pouvais pas m'occuper de tout. J'ai donc dû euh, observer une, période de latence. Ensuite, quand j'ai repris le projet, parce que j'avais vu les ravages que la mondialisation était en train de faire sur notre société, quand j'ai vu que dans les réseaux, on insultait nos chefs religieux, que notre jeunesse, euh, souvent consommait de l'alcool à l'école et ailleurs, n'est-ce pas, que la prostitution que les, les, les, assassinats, les violences sur les femmes, etc., je me suis dit, cette société, elle est en train d'être détruite par tout ce qu'il voit à la télévision et qui malheureusement ne correspond pas à la réalité. Et qu'il faut aider ce pays à se retrouver sur ses valeurs et sur son passé, de manière qu'il puisse résister au processus de la euh, mondialisation qui, encore, je le dis, procède par décérébration et par, et recérébration. Pourvu que cette histoire que vous avez rédigée soit vulgarisée. Non, mais attendez, comment, comment, comment arriver à la vulgariser Voilà, je vais venir à ça. Donc, j'en ai, parlé avec des collègues. J'ai trouvé que les collègues partageaient la même idée depuis longtemps, mais qu'ils ne l'avaient pas mise en application. Et ils m'ont dit, mais c'est une idée excellente, nous allons nous y investir. N'est-ce pas Des collègues comme Mamadou Fall, des comme Rokhayev Dabafal m'ont dit nous ne devons même pas à être payés. Nous voulons simplement apporter notre contribution à notre pays. Alors, en ce moment-là, je me suis rendu compte que j'en ai parlé au département. Ah, c'était Mam Thiam qui était le chef de département. Il était lui-même coordonnateur, troisième coordinateur général. Et à toutes les réunions du département, il en parlait n'est-ce pas Et nous avons, nous avons fait appel à toutes les compétences dans tout le domaine. D'accord. Pardon, j'ai décidé maintenant de ne pas envoyer de lettres particulières à des personnes. Parce que si je le faisais, je n'en sortirais pas. J'aurais des oublis et ce qui serait oublié se considérait comme étant considéré comme... Euh, voilà. Comment arriver à enseigner cette histoire, surtout quand on sait qu'il y a une autre histoire que nos, enfants, que nous-mêmes, nous, avons appris. dans tous les pays du monde, l'histoire que l'on enseigne en France n'empêche pas le fait qu'il y a une autre histoire. Il, n'empêche que les gens ont une histoire officielle qui a été écrite par la ville depuis, depuis, 1900, euh, depuis, les, années 20. Non, je pense que la question n'est donc pas là pour, moi. nous avons fait tout ce qu'il fallait pour vraiment associer largement le plus grand nombre de personnes. Ensuite, nous avons créé des commissions, neuf commissions et ces commissions sont été chargées de faire le travail. Et ensuite, le travail doit être soumis à une équipe pour en vérifier le contenu. Euh, le contenu a été ensuite euh, euh, fait l'objet d'une insertion dans les ouvrages que nous avons faits. Voilà. Oui, l'État, pour revenir à l'État, il a dû mettre à votre disposition un budget quand même. Non, non, non, non, non. Qui s'élèverait à combien Non, il n'y a, pas de budget, il n'y a pas de contribution de l'État. Non, L'État, encore une fois, quand nous avons fait notre projet, le président Macky Sall n'était pas au courant. Nous avons fait notre premier séminaire. On l'a informé. Il nous a envoyé une petite aide pour la tenue du séminaire. Nous avons tenu notre séminaire. Quand nous sommes sortis du séminaire, nous n'avions plus les moyens. Malgré tout, nous avons continué de travailler. Et nous avons tenu différents séminaires y compris des séminaires régionaux, n'est-ce pas Quand le président Macky Sall a vu ce qu'on faisait et qu'il s'est rendu compte que ça allait dans le sens de l'international, que ça allait armer notre jeunesse contre les méfaits de la mondialisation et que par conséquent, c'était de nature à consolider notre culture, à développer notre conscience historique, comme le souhaitait Cheikh Ante il s'est intéressé à ce que nous faisions. Et il nous a dit qu'il était prêt à faire un effort. Son ministre de la Culture a dit les ouvrages, quand vous les aurez rédigés, je serai prêt dans le cadre du budget consacré euh, à, la direction du livre de les prendre en charge au niveau de l'imprimerie. N'est-ce pas Bon, à un moment donné, on a été jusqu'à ce qu'on n'avait plus aucun centime. Nous étions sur le point de renvoyer notre personnel et peut-être même d'arrêter le projet. N'est-ce pas Je lui ai écrit pour lui dire nous allons mettre la clé sur le paillasson. Il m'a envoyé une aide de 30 millions que nous avons réparti immédiatement entre les travailleurs qui n'étaient pas payés depuis longtemps et, d'autres catégories. Vous, avez refusé d'être payé, mais il y en a qui, sont payés. Mais c'est normal, ceux qui sont payés ont le droit d'être payés. Parce que chaque, fois que quelqu'un fait un texte d'une vingtaine de pages, il reçoit 250 000 francs. C'est les tarifs internationaux. Quand il reçoit, euh, euh, quand il écrit 50 pages, il reçoit 500 000 francs. Et, ça, c'est parce que aussi, dès le départ, beaucoup n'ont pas voulu participer parce qu'ils disaient, vous ne trouverez pas l'argent nécessaire pour nous payer. Mais une œuvre comme celle-là, euh, professeur, mérite quand même d'être euh, accompagnée par l'État. Quand le président Macky Sall a considéré que nous étions sur le bon chemin, il a dit, je vais vous aider. Et il nous a dit même, je vais même prendre en charge euh, le financement du projet. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore reçu le budget, n'est-ce pas et nous avons continué, cas, à essayer de fonctionner avec les quelques moyens que, nous, avions. Cette histoire pourra être enseignée parce qu'il y aura une version euh, euh, euh, simplifiée pour les écoles, etc. Une version numérique également et d'autres versions. Elle sera traduite dans différentes langues nationales pour que nos peuples puissent s'en pénétrer pour qu'elle serve de référence. Donc, je serai heureux le jour que j'entendrai notre histoire dire, le jour où, à telle heure, Mamoudi Ibrakan vous a invité, vous avez dit ceci, vous avez dit ceci, vous avez dit cela. Donc cette histoire générale du Sénégal sera enseignée dans nos écoles. Elle sera enseignée dans Elle va remplacer l'autre histoire. Elle va remplacer l'autre histoire. L'histoire écrite par les vainqueurs. Exactement. Vous avez parfaitement trouvé le terme. Eh l'histoire Vous, vous, la substituez par l'histoire écrite par les vaincus. C'est vrai, c'est vrai, cette histoire écrite par les vaincus, avec cette différence qu'il y a des vainqueurs qui participent. Il y a des Français qui participent. Sur la Casamance, Christian Roche, n'est-ce pas, nous a envoyé des textes. N'est-ce pas Dans d'autres domaines, d'autres historiens nous ont envoyé des textes. Quand vous verrez l'ouvrage fait par euh, euh, euh sur euh, les mégalithes, vous verrez que la majeure partie de ceux qui ont fait cet ouvrage-là sont des auteurs étrangers n'est-ce pas Dans le tome euh, élaboré par euh, vous avez également euh, la référence à des, gens extérieurs. Parce que nous n'écartons pas les Américains, ni les, ni, les, ni les Anglais, ni les Français, <laughs> ni les Portugais, à la seule condition qu'ils se placent dans notre optique, une optique décolonisée, une histoire décolonisée, qui n'est pas une histoire uniquement de vaincus, mais une histoire du peuple qui se sont battus pour leur indépendance et qui, en fin de compte, sont aussi vainqueurs. Parce qu'ils ont pu préserver leur identité culturelle, ils ont pu préserver leur religion, ils ont pu préserver leur langue, ils ont pu préserver leur dignité et ils ont pu conquérir leur indépendance. Jury du dimanche avec professeur Ibader Thiam, vous parlez des langues, vous avez parlé tout à l'heure de Cheikh Ante Diop. Justement, il y a un auditeur qui vous interpelle sur Cheikh Ante Diop et ce débat entre Boubacar Boris Diop et Souleymane Bachir Diagne. Euh, ces temps-ci, on, a assisté à un épique et riche duel intellectuel par voie épistolaire entre Souleymane Bachir Diagne et euh, Boubacar Boris Diop. Euh, je voudrais maintenant inviter le professeur Ibader Cham à se, à se prononcer sur la paternité du laboratoire au carbone 14 de euh, l'Institut fondamental d'Afrique euh, noire, non pas pour mettre fin à cette agréable récréation, mais au nom de la vérité historique. Ante Diop, dans l'histoire du Sénégal, le laboratoire carbone 14, l'IFAN. Vous savez, moi, je n'ai pas honte de le dire je considère Cheikh Ante Diop comme mon maître. Bien que, comme lui, j'ai un doctorat d'État, bien que j'ai mon agrégation, je le considère comme mon maître. Parce que je considère que le rôle qu'il a joué dans l'histoire africaine est un rôle qui le place euh, au plus à la plus haute marche du podium. Ensuite, il a passé toute sa vie à se battre pour, eux prouver que l'Afrique était le berceau de l'humanité. Deux, pour prouver que les civilisations africaines étaient antérieures aux civilisations euh, européennes. N'est-ce pas Et aujourd'hui, les toutes récentes découvertes qui sont faites en Grande-Bretagne prouvent encore cela. Il a été l'un des premiers à dire nos langues nationales peuvent servir de vecteurs pour notre propre culture et c'est elle seulement qui nous permettront d'accéder à l'émergence. Il, nous, nous a rappelé que nous étions originaires des régions nilotiques et il a établi tous les itinéraires par lesquels nous sommes passés. Il a présenté une histoire générale, une, histoire de l'Afrique qui, en, fait renferme aussi quelques erreurs. Il dit par exemple dans son, dans son histoire de l'Afrique que les pauvres communautés maurites ne vont pas à la Mecque, parce qu'elle préfère aller à, Touba, alors que euh, tout le monde sait que le, le Cheikh Antembake a été à la Mecque en 1928, qu'il a amené avec lui Serigne Falilou etc. Mais il ne pouvait pas tout savoir encore, lui aussi. Oui, mais justement, Cheikh Ante est le laboratoire carbone bon, alors, pour ce qui est du laboratoire euh, euh, carbone 14, qu'il y ait des observations, des divergences de vues sur lui et Boris Diop. Boris Diop est un patriote un Sénégalais compétent, un intellectuel de haut lignage, qui a fait ses preuves dans le domaine de la littérature, qui ne connaît aucune hypocrisie, qui est incapable de dire du mal de qui que ce soit, mais qui est également suffisamment objectif pour ne faire que ce qui rencontre ses convictions. Que eux deux aient des points de vue. Bachir Diagne, l'autre c'est Suleiman Bachir Diagne. exactement le même. Un Sénégalais dont nous nous honorons et qui fait partie des personnes dont les voix comptent le plus dans le monde actuel. Que eux deux n'aient pas la même opinion, ça ne me fait pas peur, ça me fait plaisir. Oui, la paternité du laboratoire Carbone 14. Ce n'est pas pour moi un problème que euh, ce qui les, anciens directeurs de l'IFAN aient travaillé sur le projet. C'est Cheikh Ante qui a donné au laboratoire Carbone 14 ses lettres de noblesse. C'est lui qui l'a fait connaître à l'extérieur et c'est lui qui lui a permis de dater, n'est-ce pas, d'un certain nombre d'objets qui ont permis de révolutionner euh, tout le reste prouver que l'Afrique était le berceau de l'humanité n'était pas chose facile. Cher <laughs> Cheikh l'a prouvé. Donc, que, euh, que ces deux-là aient une polémique, je dis que je lis avec délectation tout ce qu'ils écrivent <laughs> et j'en suis d'autant heureux que je ne vois aucun propos discourtois, aucun jugement de valeur, aucun comportement de violence verbale, n'est-ce pas, mais uniquement une grande dignité, une élévation de pensée une capacité de réflexion qui honore notre intelligentsia et qui force l'admiration. Un de nos compatriotes euh, se demande à quoi sert la pensée de Cheikh Ante Diop en 2019. Mais la pensée de Cheikh Ante Diop en 2019 est encore plus importante que dans les années passées, parce qu'en 2019, nous sommes l'objet d'un matraquage idéologique à cause de la mondialisation qui brûle tous les repères et essaie d'instaurer la pensée unique. La, pensée de Cheikh Ante Diop nous permet de renoncer à la pensée unique et de montrer ce que nous avons apporté au patrimoine de l'universel en des termes qui ne souffrent d'aucune contestation des milieux scientifiques euh, autorisés. Nous avons plus qu'aujourd'hui besoin de la pensée de Cheikh Ante Diop et nous ne devrons pas l'arranger dans les tiroirs et nous devrons veiller à en faire notre référence principale parce que ça nous permet de nous articuler à un homme dont le combat toute sa vie a été consacré à la défense de l'histoire. Alors, professeur, vous avez été ministre de l'Éducation du National du Sénégal, euh, le père quelque part de l'école nouvelle, comme on l'appelait à, l'époque. Euh, quel est aujourd'hui, alors que vous êtes en train de rédiger cette histoire générale du Sénégal, euh, cinq, euh, seulement cinq ouvrages, cinq tomes sur 25 ont été publiés quelle est la portée et l'enjeu justement de cette histoire générale par rapport à nos enfants qui vont à l'école aujourd'hui euh, par rapport à nos enfants qui vont à l'école aujourd'hui, lorsque le travail sera terminé et qu'on leur a présenté sous sa version populaire, euh, nous les mettrons à la disposition de tout le monde. Quand l'histoire de France a été terminée, n'est-ce pas, en France, elle a été mise à la disposition de tout le monde. Les gens l'ont acheté dans tous les secteurs toutes les administrations ont acheté des exemplaires. Les casernes ont acheté des exemplaires. Les directions, les rédactions de journaux ont acheté des exemplaires. Les commerçants ont acheté des exemplaires, n'est-ce pas Les communautés religieuses ont acheté des exemplaires. Tous ceux qui souhaitaient connaître leur passé ont acheté des exemplaires. Et quand vous allez aujourd'hui dans le bureau, vous trouvez la série qui est gardée dans les bibliothèques. Une histoire pour les générations actuelles et futures. Voilà. Alors, et cela a permis, en fin de compte, d'avoir une même vision du pays, une même vision de leur passé, une même vision de leurs ancêtres, et ça leur permet de pouvoir aborder aussi leur avenir avec la même vision. Sur fond de controverse quand même. Mais encore, une fois, encore Momodou, la controverse n'est pas mauvaise dans le domaine de la science. Or, tous ceux avec qui nous avons travaillé sont des scientifiques authentiques, qu'ils soient traditionnistes, qu'il soit professeur du département d'histoire, qu'il soit chercheur, qu'il soit journaliste, ils ont fait œuvre d'hommes de science et nous devons comme tels les respecter et les considérer. Une école marquée par une autre polémique, le port du voile, à l'école saint jean d'Arc, le ministre de l'Éducation nationale que vous avez été, en pense quoi Ce que j'en pense simplement, c'est qu'au Sénégal, euh, nous avons une, euh, une constitution. Elle est au-dessus de toutes les, tous les autres règlements qui peuvent exister, où qu'ils soient et quels qu'en soient les auteurs. Ensuite, cela me paraît d'autant plus regrettable que l'institution qui a été à la base de cela, quand elle est venue au Sénégal en 1819, elle a été accueillie par la communauté Lébou. Et nous l'avons écrit dans notre histoire qui lui a accordé une hospitalité extraordinaire. Parce que quand le bateau de la Méduse, a échoué, la communauté des boules les a accueillis, leur a donné le gîte, leur a donné le couvert, les a soignés et leur a apporté toute l'assistance nécessaire sans rien exiger en retour. Quand ils ont voulu avoir un terrain pour construire des édifices religieux ainsi que des écoles, la communauté Lébou n'a pas fait d'opposition alors que tout se passait sur son territoire. Par conséquent, il y a au moins une dette. Cette dette, c'est que ceux qui avaient fait ça pour eux, dans la générosité, sans rien en attendre, si ce n'est une cohabitation, ou un vivre ensemble, nous fassions tout pour que leurs enfants puissent continuer de pratiquer, de fréquenter cet, établissement sans aucune discrimination. Le règlement intérieur de l'école n'est pas opposable il n'est, à mon avis, un règlement intérieur, on ne peut pas l'opposer à une constitution. Il me semble, on ne peut pas l'opposer à une constitution. Le Sénégal n'accepte pas qu'il y ait au-dessus de sa loi suprême une loi plus forte que celle qu'elle. Maintenant, on a trouvé une formule qui, paraît-il, euh, euh, euh, permettra la reprise des élèves, c'est une très bonne chose et ça conforte le vivre ensemble. Parce qu'encore au Sénégal, nous n'avons pas de problème entre catholiques et musulmans. Nous avons vécu de tout temps en parfaite entente. Moi qui vous parle, j'ai dans ma famille des gens qui étaient des, catholiques, Les monnaies oui. sont, membres de ma famille. L'histoire catholique, vous l'avez aussi racontée, j'imagine, hein? évidemment. Non, nous avons, à dire nous avons accordé toutes les histoires. Peut-être que, mm. euh, euh, peut-être que des contestations peuvent avoir lieu, mais nous avons les sources dans lesquelles nous les avons puisées et nous, échangerons encore, avec tel ou tel, mais rien n'a été fait parce qu'on a méprisé tel ou parce qu'on cherche à vilipender tel ou parce qu'on cherche à stigmatiser tel ou parce qu'on cherche à favoriser tel. Non. Je dis encore que moi, mes idées, quand je les ai, je les sors en fonction de mes convictions. C'est depuis 1993. Voilà le programme électoral de la CAP 21, de la, CDP en 1993, que j'ai le premier moi-même proposé de faire du Maguel de Touba une fête nationale. C'est depuis 1993 que j'ai pour la première fois lancé cette idée à un meeting que nous avons tenu ici, au parc Amazon. Que c'est date, dès cette date, j'avais déjà proposé qu'il y ait entre Dakar et Touba une autoroute. Quand l'idée est venue dans la tête de Maki, je l'ai félicité au fond de mon cœur. Parce que je me suis dit, ça, j'y avais pensé à l'époque. Maki ne connaissait pas ce programme. Il n'a pas donc pris ici mais son amour du Sénégal a fait qu'il a pensé que c'était une nécessité et qu'il fallait qu'il la réalise. Une rencontre avec les khalifs après cette polémique, non hein? Une rencontre avec les khalifs généraux non, non, non. prévue ou non Non, non, nous sommes disponibles pour rencontrer n'importe qui. Déjà, le gouverneur Ndiaye m'a annoncé qu'une délégation du CIN, qui va discuter avec la famille de Diakhao, propose de nous rencontrer pour que nous échangeons sur le plan scientifique. Nous avons fixé une date pour le 25 et nous en sommes très heureux, nest pas Si euh, les structures habilitées au niveau des khalifs ou toute autre personne désignée par le khalif nous apportent également les passages que nous devons changer dans notre travail, nous en discuterons avec eux et nous essaierons de trouver une solution. Encore une fois, nous sommes ouverts, nous ne sommes pas la science, c'est Dieu seul qui ne se trompe pas. S'il y a des gens qui ne sont pas satisfaits du travail que nous avons fait, nous nous en excusons, mais nous ne pouvons probablement satisfaire tout le monde. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que nous sommes animés d'une volonté de servir notre pays, de combler un vide et de faire en sorte que, doté désormais de notre histoire, armé de notre histoire, une histoire, euh, un projet tellement important que dans les pays voisins, certains ont envoyé des délégations au département d'histoire pour euh, demander qu'on leur euh, envoie des spécialistes pour qu'ils fassent la même chose. Pour, une affaire de cette nature-là, nous, soyons obligés, pour des questions de personnes, on est à la fin de cette émission. Professeur Thiam, merci d'être venu à l'émission Le jury du dimanche. Professeur Ibader Thiam, qui est le président du comité de pilotage de l'écriture de l'histoire générale du Sénégal des origines à nos jours. Mamoudi Brakano au micro, Aliou à la technique pour e-radio. Euh, Baba Kandia, Imas, euh, l'équipe euh, et toute l'équipe d'ITV. Pour les réseaux sociaux, Sandra Gaï et Biram Pouy, vous euh, retrouvez votre émission aussi sur votre site préféré, emedia.sn. Merci, bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.